pour le compte de la coalition Bok Gis Monsieur Mamadou Djoum pour le compte de la coalition Art Sénégal, Maître Ousmane Sey et Maître Amadou Sal pour le compte de la coalition Beno Bok Yakar, Pascal Albert pour Buntubi, Magatsi pour la grande coalition Wallo Sénégal, Détiefal et Al Diomasso pour la coalition Yehui Askanui. Au vu de l'ensemble des procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes, ainsi que des pièces qui leur sont annexées, la Commission nationale de recensement des votes, conformément aux dispositions de l'article LO 143 du Code électoral, proclame provisoirement les résultats des élections législatives du 31 juillet 2022 ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs inscrits 7 466. Nombre de votants 3 281 583. Nombre de bulletins nuls 20 000. 697. Suffrage valablement exprimé, 3 260 886. Taux de participation, 46,64%. Les différentes coalitions ont obtenu les scores suivants. Euh, le nombre de suffrages suivants, coalition bokugis Gis 44 862 coalition Natangué Askanui 25 833 Art Sénégal 52 173 Benno Bok 1 518 137 Bountbi 20 922 les serviteurs MPR 56 303, Coalition Wallou-Sénégal 471 517, Coalition Yewi Askanui 1 71 139. La répartition des sièges s'établit comme suit. D'abord pour le scrutin majoritaire départemental, dans la région de Dakar, le département de Dakar est remporté par Yehui Askanui avec 190 131 suffrages. Il y avait sept sièges à pourvoir. Euh, les sept sièges reviennent à la coalition Yehui. Le département de Guédiawaï, où il y avait deux sièges à pourvoir, est remporté par Yehui Askanui avec euh, 49 335 suffrages. Le département de Kermassar, où il y avait deux sièges à pourvoir, est remporté par la coalition Yewi Askanvi avec 55 275 suffrages. Le département de Pékin, où il y avait cinq sièges à pourvoir, est remporté par la coalition Wallou-Sénégal avec 84 741 suffrages. Le département de Rufusque, où il y avait deux sièges à pourvoir, est remporté par la coalition Yewi Askanui avec 64 325 suffrages. Région de Djourbel, département de Bambé, qui est remporté par la coalition Yewi Askanui, il y avait deux sièges à pourvoir, avec 24 025 suffrages. Le département de Djourbel, où il y avait deux sièges à pourvoir, est remporté par la coalition Benobok Yakar, avec 29 513 suffrages. Le département de Mbaké, où il y avait cinq sièges à pourvoir, est remporté par la coalition Wallou-Sénégal avec 109 358 suffrages. Le département de Fatik, où il y avait deux sièges à pourvoir, est remporté par la coalition Berno Bokyakar avec 49 948 suffrages. Le département de Foundioun, où il y avait deux sièges à pourvoir, est remporté par Berno Bokyakar avec 34 592 suffrages. Le département de Gossas, avec un siège à pourvoir, est remporté par euh, Beno Bokyakar avec 14 154 suffrages. Le département de Birkilan, avec un siège à pourvoir, est remporté par euh, Beno Bokyakar avec 13 982 suffrages. Le département de Kafrine, deux sièges à pourvoir, est remporté par Berno Bokyakar avec 33 suffrages. Le département de Kungel, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Berno Bokyakar avec 21 638 suffrages. Le département de Malem odoar avec un siège à pourvoir, est remporté par Berno Bokyakar avec 12 300 suffrages. Région de Kaulak, le département de Gengeneo avec un siège à pourvoir est remporté par Beno Bokyakar avec 15 192 suffrages. Le département de Kaolak, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Beno Bokyakar avec 53 450 suffrages. Le département de Nyoro Dirup, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Beno Bokyakar avec 42 000 437 suffrages. Région de Kédougou, le département de Kédougou avec un siège à pourvoir est remporté par Benno Bokyakar avec 10 195 suffrages. Le département de Salemata avec un siège à pourvoir est remporté par euh, Beno Bokyakar avec 2641 suffrages. Le département de Sareya avec un siège à pourvoir est remporté par Wallou Sénégal avec 5688 suffrages. Région de Kolda, le département de Kolda avec deux sièges à pourvoir est remporté par Benno Bok Yakar avec 28 749 suffrages. Le département de medino Yerofoula, deux sièges à pourvoir, est remporté par Benno Bok Yakar avec 16 202 suffrages. Le département de Velengara avec deux sièges à pourvoir et remporté par Bernard Bokyakar avec 36 419 suffrages. Région de Louga, le département de Kébémer avec deux sièges à pourvoir est remporté par Wallou Sénégal avec 33 115 suffrages. Le département de Linguer avec deux sièges à pourvoir est remporté par Benoît Bokyakar avec 41 072 suffrages. Le département de Louga avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Beno Bokyakar avec 45 513 suffrages. Région de Matam, le département de Canel, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Beno Bokyakar avec 43 332 suffrages. Le département de Matam, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Beno Bokyakar avec 65 798 suffrages. Le département de rané ferlo avec un siège à pourvoir, est remporté par Beno Bokyakar avec 11 417 suffrages. Région de Saint-Louis, le département de Dagana, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Beno Bokyakar avec 38 951 suffrages. Le département de Podor, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Beno Bokyakar avec 91 653 suffrages le département de Saint-Louis, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par euh, Yewi Askanui avec 45 447 suffrages. Région de Sédiou, le département de Bunkiling, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Beno euh, Benno avec 16 028 suffrages. Le département de Goudomp, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par Yewi Askanwi avec 18 252 suffrages. Le département de Sédiou, avec deux sièges à pourvoir, est remporté par euh, Yewi Askanui avec 19 736 suffrages. Région de Tambacounda, le département de Bakel, deux sièges à pourvoir, remporté par Beno Bokyakar, 18 749 suffrages le département d'Ougoudiri, un siège à pourvoir, remporté par Benno Bokyakar, 15 013 suffrages. Le département de Kumpentum, deux sièges à pourvoir, remporté par Benno Bokyakar, 17 231 suffrages. Le département de Tambacounda, deux sièges à pourvoir, remporté par Benno Bokyakar, 28 915 suffrages. Région de Thiès, le département de quatre 4 sièges à pourvoir, est remporté par Bernard Bocchiacar avec 68 413 suffrages. Le département de Thiès, 4 sièges à pourvoir, est remporté par Yewi Askanui avec 83 960 suffrages. Le département de Tiwaon, 2 sièges à pourvoir, est remporté par euh, Yewi Askanui avec 60 163 suffrages région de Ziguinchor, le département de Bignona, deux sièges à pourvoir remportés par euh, Askanui avec 44 484 suffrages. Le département d'Oussoui, un siège à pourvoir remporté par Yevi Askanui avec 8 959 suffrages. Le département de Ziguinchor, deux sièges à pourvoir remportés par Yehui Askanui avec 37 498 suffrages. Cela pour les 46 départements de l'intérieur du pays. Pour les départements de l'extérieur maintenant, le département Afrique australe, un siège à pourvoir, remporté par Yehui Askanui avec 905 suffrages. Le département Afrique de l'Ouest, trois sièges à pourvoir, remporté par Benno Bokyakar avec 7318 suffrages. Le département de l'Afrique du Centre, deux sièges à pourvoir, remporté par Benno Bokyakar avec 8029 suffrages. Le département Afrique du Nord, un siège à pourvoir, remporté par Yevi Askanwi avec 3149 suffrages. Le département Amérique-Océanie, un siège à pourvoir, remporté par Yewi Askanui avec 4152 suffrages. Le département Asie-Moyen-Orient, un siège à pourvoir, remporté par Yewi Askanui avec 460 suffrages. Le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord, trois sièges à pourvoir, remporté par Yevi Askanui avec 10 163 suffrages. Le département Europe du Sud, trois sièges à pourvoir, remporté par Wallou Sénégal avec 18 848 suffrages. Maintenant, pour ce qui est du scrutin proportionnel sur la liste nationale, euh, au terme de l'article L153, il faut d'abord calculer le quotient national qui s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir, qui est de 53. Donc il faut diviser 3 260 886 par 53, on obtient un quotient électoral de 61 526. Donc pour la répartition au scrutin proportionnel, coalition Boko Gis obtient un siège au scrutin proportionnel avec 44 862 suffrages. Coalition Natangé Askanui n'obtient pas de siège. Coalition Art Sénégal obtient un siège avec 52 173 suffrages. Coalition Bernobok Yakar obtient 25 sièges avec 1 518 137 suffrages. Coalition Buntubi n'obtient pas de siège coalition Les Serviteurs MPR obtient un siège avec 56 303 suffrages. La coalition Wallou-Sénégal obtient 8 sièges avec 471 517 suffrages. La coalition Yewi Askanui obtient 17 sièges avec 1 71 139 suffrages. Pour récapituler donc, la coalition Bernobok Gisgis obtient au total un siège au scrutin proportionnel. La coalition Natangé Askanui n'a pas de siège. La coalition Art Sénégal obtient un siège au scrutin proportionnel. La coalition Bernobok Yakar obtient 57 sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel, ce qui fait 82 sièges. Buntubi n'obtient pas de sièges. Les serviteurs MPR obtiennent un siège au scrutin proportionnel. La coalition Wallou-Sénégal obtient 16 sièges au, scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yewi Askanui obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges. En conséquence de tout ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L193 du Code électoral, la Commission déclare provisoirement élue coalition bokugis Gis Papa Coalition alternative pour une assemblée de rupture à Sénégal, Tierno Alassane Sall. Coalition Benno Bok au scrutin proportionnel, Aminata Touré, Amadouba, Aïssatou Sow, Abdoulaye Diouf Sar, Mariama Sar, Abdoulaye Baldé, Aminata Gueye, Cheikh Tidiane Gadio, Sohna Muhammadu Ngom Ndey Lucy Cissé Nicolas Ndiaye Sira Ndiaye Demba Diop Mariette Dieng Abdou Mbow Mam Gueye Diop Seydou Diouf Aminata Dia Cheikh Abdul Ahad Mbake, Adji Diara Mergane Cheikh Sek, Ndey Fatou Gissé, Malik Diop et Yaya Diallo. Pour euh, le scrutin majoritaire départemental, à Djurbel, Malik Fall et Fatou Diané, à Fatik, Karim Sen et Mam Fatou Ndiaye, à Foujoun Seydou Djanko et Adama Boukounte Tchor, à Gossas Adama Diallo, à Birkilan Nderi Loum, à Kafrine Abdoulaye Seydou Sow et Amin Ndiaye. À Kungel, Mohamed Dien et Fantasal. À Malem Odar, Ali Ndaw. À Gengeneo, Mandiaye Kebe. À Kaulak, Pab Mademba Bitey et Astou Ndiaye. À Nyoro Durip, Ali Mané et Soukeiba. À Kedougou, Ousmane Silla. À Salemata, Moussa à Kolda, Idrissa balde et Khadija Toutiam, à Medina yorofula Mamadou Sissé et Koumba Ndiaye, à Velengara, Mamadou Ouri Baylo Diallo et Aminato Diao, à Linguère, Alingou Ndiaye et Annie Mbeng, à Louga, Chorofal Ndiaye et Dembaka, à Kanel, Daouda Dia et Raki Diallo, à Matam, Mamadou Diao et Ramata Seydou Mboch, à Ranérou Ferro Aliou Demba soow à Dagana Amadou Mam Diop et Sokhna Mbodj à Podor Abdoulaye Daouda Diallo et Yeta Sow à Bunkiling Oumar Souvané Cissé et Kardiata Diol à Bakel Ibrahima Baba Sall et Ami Yaya à Goudiri Djimo Soare, à Koupentoum Elaj Ndiaye, non, El Ibrahim Ndiaye et Tening de Djao, à Tambakunda Bilal et Awa à Mbour Yassine Daou, Omar Sy et Madeleine Dour. Afrique de l'Ouest, Dial Sane, Ibrahim Saho, Aminata Afrique du Centre Sokhna Ba Baran Fofana coalition les serviteurs MPR un élu Pape Djibril Fall coalition Wallou Sénégal au scrutin proportionnel Abdoulaye Wad, Rokhaye Diouf Mamadou Lamine Thiam Waré Sar, Mamadou Lamine Diallo Khadi Abdoulaye Diop et Nafissatou Diallo. À Pikine, Ndiagagna, Mam Diara Fam, Cheikh Aliou Bey, Fatou Gueye, Moussa Fall. À Mbacké, Cheikh Abdou Mbacké, Sokhna Astou Mbacké, Cheikh Thioro Mbacké, Fatma Mbodj, Serigne Abdou Mbacké Ndao. À Saraya, Madi Danfaha. À Kébémer, Ousmane Thiam et Maïmouna Sow. Europe du Sud, Aliou Gueye, Mambousso Amadou Diallo. Coalition Yewi Askanui. Au scrutin proportionnel, Oumar Sy, Daba Wanyan, Malik Kébé, Awa Samba Dang, Fatou Sanya, Basiru Gujabi, Rochin Ndiaye Sanou John, Aminata Dieng Assane Diop Sirando Isal, Mamadou Nyan, Ramatoulaye Bodian Thierno Diop Sohna Ba Ismaïla Diallo pour le scrutin majoritaire départemental à Dakar Barthélémy Toye Fatouba. Fatou Babacar Mbengue Ndialou Bathily Abass Fall Ndeye Yacine Ngouda Diène Serigne Abo Mbacké Thiam Guédiawaye Ahmed Aïdara Rama Sissoko Kër Massar Fatou Sow Modou Bara Gaye Rufisque Oumar Cissé Rokhaya Diop Bambey Mame Saye Ndiaye Abdou Dieng Saint-Louis Babacar Mbaye Anta Gaye Goudomp Chérif Ahmed Diko Fatoumata Dabo Sédhiou Mohamed Ayib Salim Dafé Nafi Fofana Thiès Biram Siloy Diop Aram Ndiaye Alassane Ndoye Lémou Touré Ndiaye Tivaouane Fatou Gaye Massata Samb Bignona Bakari Diédiou Nima Goudjabi Oussoui Alphonse Mané Sambou Ziguinchor Guy, Guy Marius Sagna Oulimata Sidibé Afrique australe Lamine Faye Afrique du Nord Mohamedou Mansour Kebe, Amérique Océanie Aïcha Asie et Moyen-Orient Gorondoy Europe de l'Ouest, du Centre du Nord, Aluin Sall, Ndei Satala Diop, Ibrahim Diop. Il y a eu des observations et des réclamations. Nous, les, nous y avons répondu conformément aux dispositions de l'article L89 du Code électoral. Le procès verbal et l'ensemble des pièces annexées seront transmis au président du Conseil constitutionnel. Je vous remercie de votre très aimable attention. La séance est levée.